chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. Au micro, vous avez Habiba Ahmed et Rekia Arimi. Chers auditeurs, vous aurez l'occasion de passer un bon moment de partage d'infos et de divertissement avec nous pendant une heure de temps. Bonjour Rekia, comment tu vas Je vais bien Habiba. Quel est le programme du jour C'est jeudi 3 octobre 2024. Nous débutons le programme par un flash d'information comme à l'accoutumée. Après suivra notre rubrique telles que la culture linguistique, la rubrique portrait et la page sport. En écho des régions, nous ferons un tour à Tawa, capitale de l'ADER, en lieu et place de l'invité. Nous suivrons un entretien sur un festival au cours duquel les jeunes s'est rassemblés dans le passé pour une semaine culturelle. Mais ce vaste programme sera accompagné par de belles musiques nigériennes pour vous faire plaisir. Chers auditeurs, restez branchés sur les ondes de nos radios partenaires. Tout au long de cette édition, nous serons accompagnés à la technique par Seni Isaka et Madi à l'édition. Chers auditeurs, comme voici le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Akia, bonjour Habiba. Bonjour Rafika. Alors pour ce matin, le colonel-major Garba Hakimi, ministre chargé de la Santé, a procédé le 1er octobre 2024 à la pose de la première pierre des travaux de construction de 1000 logements sociaux abordables dans la localité de Soreil, dénommée la Cité de la Refondation. Cette initiative entre dans le cadre du programme de construction de la Cité moderne la société nigérienne d'urbanisme et de construction immobilière Sonusi SA et le groupe Banga Immobilier ont signé un mémorandum d'entente pour la construction de 5000 logements abordables, suivi d'une convention cadre pour la réalisation d'une première tranche de la construction d'une cité moderne de 1000 logements économiques abordables repartis de 30 logements à réaliser dans un délai de 12 mois à compter de la date de réception de l'ordre de service par le département de tutelle. Il ne suffit plus de posséder des ressources naturelles, nous devons les gérer avec sagesse, compétence et responsabilité. Déclaration faite par le ministre des Mines, le commissaire colonel Ousmane Abarchi, le 2 octobre 2024 lors de l'atelier de formation des responsables du ministère nigérien des Mines sur le thème éthique, intégrité et déontologie professionnelle et leadership, communication et management. Cet atelier permet de contribuer à la construction d'un Niger nouveau, souverain, tourné vers un développement durable et réel du peuple. Le commissaire colonel Ousmane Abarchi a souligné que les ressources minières, aussi abondantes soient-elles, sont épuisables et non renouvelables. Pour pallier aux insuffisances, le le ministre des Mines préconise de s'attaquer aux défis techniques et institutionnels qui freinent cette activité et aussi d'investir dans les solutions durables capable de transformer une exploitation artisanale précarisée en une activité rentable, sécurisée et respectueuse des normes environnementales. Enfin, dans ce flash du 2 au 3 octobre 2024 se tient à Niamey un autre atelier stratégique regroupant les parties prenantes de trois axes du projet d'appui au renforcement des investissements agricoles Aria Niger financé à hauteur de 8 millions de dollars par l'USAID au cours des trois prochaines années. Ce projet vise à renforcer les secteurs clés de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement au Niger où plus de 80% de la population dépend de l'agriculture et de l'élevage, des activités particulièrement vulnérables aux conditions climatiques instables. L'objectif de cette rencontre est de créer une synergie d'action entre les différents acteurs afin d'assurer une mise en œuvre optimale du projet Aria Niger. Dans son discours d'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Bachir Ousseini, a rappelé que l'agriculture l'élevage font face à de nombreux défis et pour y répondre, il a mis en avant les actions du gouvernement, notamment à travers le programme de grandes irrigation qui ambitionne l'aménagement de 21 200 hectares de nouvelles terres et de la réhabilitation de 10 000 hectares de périmètres irrigués. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci, Rafika pour ce flash d'infos. Chers auditeurs, comme annoncé dans la présentation du programme, un événement de la culture ancestrale est à, suivre dans un instant. Mais avant, pause musicale avec le titre Envoyez-les à l'école de Dawaman. C'est parti. les vite accompagner. Dans la société, elles sont capables d'occuper les chanson envoyée à l'école de Dawaman traçant les frontières musicales pour devenir un cri de ralliement pour l'éducation en Afrique, en particulier au Niger. L'artiste utilise son talent pour mettre en lumière les obstacles auxquels sont confrontés de nombreux jeunes qui aspirent à l'éducation. Les paroles poignantes et la rythmique entraînent à la chanson entraînante de la chanson captive l'auditeur tout en véhiculant un message essentiel. Dawaman aborde des thèmes tels que la lutte contre l'analphabétisme, la nécessité de construire des écoles et d'investir dans l'avenir de la jeunesse africaine. Il invite également la société à prendre conscience de son rôle dans la promotion de l'éducation. Cette chanson sert à de rappeler vibrant que l'éducation est un endroit fondamental et une clé pour briser le cycle de la pauvreté et de l'ignorance. En fait, à l'école de Dawaman est bien plus qu'une simple chanson. C'est un appel à l'action, une ode à l'éducation et un cri d'espoir pour un avenir meilleur pour les jeunes du Niger et de l'Afrique en général. Elle démontre la capacité de la musique à être un vecteur de changement social et une voix pour les causes importantes. C'était là les titres envoyés à l'école de Dawaman. Il est 11h passé des 9 minutes. Passons à notre entretien du jour, Rekia. Habiba, tu sais, aujourd'hui, c'est eh, la traduction est modernisée. La culture d'hier et celle d'aujourd'hui évolue à un rythme effréné. C'est pourquoi aujourd'hui, Rekia, nous allons écouter Al-Haji Assouman Abashi, ancien médiateur de la République de la région de Tawa et aussi homme de culture pour la question, un témoignage des transformations de notre société pour nous parler de cette évolution culturelle qu'il a vécue de près. Il est au micro de notre correspondant de Tawa, Yawali Abdelmoumouni. Écoutons. Mais le festival, tant qu'on le connaît, nous on a participé au, du premier au dernier festival. Le dernier festival, c'est le, festival de 89, à Tawa. Moi, j'étais à Tilaberi, j'ai amené une pièce de PAPCE le programme d'appui sur euh, le, départ là. Le départ, le festival de 2003 le dessous, j'ai amené ma pièce théâtrale. Le festival de 2001, j'ai amené aussi notre pièce théâtrale qui ont toutes remporté le premier prix. Mais c'est ça vraiment le festival. C'est la jeunesse que tu vois. Tout le monde est là. Mais quand on dit que c'est réservé au ballet ou que c'est réservé à vous tu vois, c'est effrité en tant que si je ancien, si je peux dire, dans la, discipline, mhm. si on vous demande des suggestions, qu'est-ce qu'il faut maintenant C'est ramener le festival. Le festival. Avant le festival, du euh, temps de, de, jury, c'était la semaine de la jeunesse. Le Mali, actuellement, ils font leur semaine de la jeunesse. Ici, on a fait le festival à partir de 96, euh, de pardon. Donc, il faut ramener le festival comme il est. Avec quelle discipline, par exemple Toutes les disciplines c'est possible de les gérer C'est possible de les gérer. On a géré un pays à euh, plus un festival. Tout au plus, c'est combien de personnes C'est une semaine. Alors maintenant, si on vous demande, par exemple, de donner les thématiques, hein? si la semaine, par exemple, de proposer des thématiques, par exemple, pour, hein? les, pour chambres, pour les, pour les, pour les pièces Je vais répondre comme on l'a fait avant. Il suffit maintenant, je, l'ai dit à certains des ministères de, de la Culture, de d'abord de faire un rassemblement des anciens a donc de faire une rencontre au niveau national pas un forum mais une rencontre des anciens dans toutes les régions les régions on prend les anciens on les appelait des animateurs mhm. donc on fait un rassemblement et maintenant les gens vont dégager les idées et vous allez voir qu'au au bout d'un an quand on réfléchit on va sortir des choses il n'y aura pas de conflit des générations euh, Non, non, non, pas, non, Quand on est vieux, quand on est vieux, à un certain âge, vraiment, il n'y a pas de conflit des générations. Seulement, à chacun, on lui donne son goût. Moi, si tu fais le rap, ou si tu fais le, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça ne me gêne pas, parce que tu t'exprimes. Mais les anciennes choses, il y a des, thématiques anciennes qu'il faut voir. Il y a des choses anciennes. Par exemple, euh, moi, quand tu vas me donner, de donner un thème, euh, on ne faut pas limiter les thèmes, ne faut pas dire on va jouer sur tel, thème. Un exemple, Par exemple, cette fois-ci, on a dit, euh, pour, les slameurs, on a dit de faire Niger, le Niger, mon Niger. Donc tout autour, c'est bon, ça c'est le contexte qui qu'il exige. Oui, oui, ça c'est le contexte. Maintenant, on a besoin que tous nous, regardions dans, le la même direction. Mais un, un il faut le laisser s'épanouir, il faut le laisser s'exprimer. Mais quand tu limites un, tu le bloques. Donc quand on voit un festival, on voit des libre, comme là avant, c'est libre choix. Quelqu'un, par exemple, quand le festival de, de... Nous, maintenant, on parle de la sauvegarde de la patrie, de ramener des gens au travail. Oui, ça, c'est juste, ça, c'est maintenant, ça, ça c'est pas le festival. Ça, c'est le, comportement. On a vu, on a essayé un moment. Moi, quand un moment, on nous a dit, euh, le, comment on avait appelé ça, la renaissance culturelle. Vraiment, on, on se glorifiait on dit, ah voilà, maintenant c'est... Mais c'est à ce moment-là qu'on a dit, non, non, la renaissance culturelle, c'est quoi C'est la modernisation sociale, la modernisation économique, la modernisation politique. Et qu'est-ce que ça a avec la renaissance culturelle Ça, c'est par exemple la renaissance citoyenne. Ah. Ce n'est pas la renaissance culturelle. La renaissance culturelle. Le a été mal choisi. Ça a été mal choisi. quand on dit la renaissance culturelle, ça veut dire que les artistes, les anciens, allez-y, vous êtes. Allez-y renaître. Allez-y renaître. Oui, oui. oui. nous le mariage, quand on voit par exemple comme le thème comme le mariage, mhm. comment se fait le mariage à Tawa Le mariage à Tawa, c'est différent du mariage à Tilaberi, c'est différent du mariage à Zander. Euh, voilà, Oui, mhm. voilà. c'est ça la renaissance. C'est ça, c'est ça que maintenant on, on, parle de la refondation. C'est la refondation du pays. De rassembler tout le monde, les jeunes et les, anciens. Euh, euh, voilà, dans chaque région, on voit des délégués, qu'ils soient des jeunes, des anciens, et maintenant on va. C'est eux, ils vont dire leurs préoccupations. Et nous, nous allons dire notre pensée, ce que nous avons vécu, pour qu'ils profitent aussi. Par exemple, s'il y a des choses, des, situations qu'on a connues, mais qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'était la première partie de notre entretien. Avant de continuer euh, cet entretien, chers auditeurs, écoutons le second titre de notre sélection musicale. Il s'agit du titre Garde Espoir de Danili. Ouais, c'est bon. C'est qui Léo Léo Viens voir Danny Quoi Qu'est-ce qu'il a, Danny Je l'ai vu avec une corde au cou. Hein Mais où ça Oh, Danny Mais dis-moi que fais-tu Est-ce avec ces cordes que je t'ai vu Est-ce que vraiment t'apprêtes-tu à faire le nez du bandit. Yo, je t'assure, tu fais un pas plus, je mets terme à ma vie. Et tu auras ma mort sur ta conscience à vie. Tu me connais assez, tu sais que j'ai pas l'air de plaisanter sur ce que je dis. Oh, t'es pas le seul à avoir Même ta gueule tes yeux, sois pas aveugle là. Mais pourquoi tu comprends pas de quoi je te parle Et de quoi tu Ok, je t'informe, les coupards de la vie ont fait de moi un homme rebelle. Maintenant dans mes actes je suis formel J'ai plus le timing de supporter le deuil de vivre sans oseille Ou de toujours tendre les mains vers le ciel Alors ne viens pas ici me demander pourquoi j'ai les nez crispés Le sang ragé, l'esprit traumatisé Le pourquoi tu le sais Système de Niamey moi dans le au ventre, un dans noir. Je te comprends, Danili, mais calme-toi. Moi, me calmer de ma chienne de vie, tu c'est quoi, toi Je t'explique, mec, depuis que j'embrasse le rap, sous mon léger pack et mon bac, je suis toujours en manque de. Danili est un chanteur-rappeur du Niger. Il compte dans sa discographie l'album Blala plébiscité par le public nigérien. En 2009, il reçoit les prix du meilleur artiste solo et celui du meilleur clip vidéo au Niger Hip Hop Hour Fondateur en 1996 du groupe Black Daps, Danili entame à la fin des années 2000 une carrière solo et revient sur le devant de la scène hip-hop nigérien en 2009 avec euh, un premier album Boulala. Danili frappe un grand coup de l'édifice du rap nigérien. L'artiste a engagé son, son flow sans faille et à l'image de ses textes euh, percutants et cinglants. j'appelle Lucie. Yo Lucie, décroche, décroche. Pas vrai, il est toujours sur répondeur celui-là. Les t'as Voilà, chers auditeurs, cet Espoir de Danili Rekia. La culture offre le moyen d'exprimer sa créativité, de se forger une identité propre et de renforcer ou de préserver les sentiments d'appartenance à la communauté. Tout à fait, Habiba. El Haji Asuman Abarchi, ancien médiateur de la République pour la région de Tawa et homme de culture, nous parle de l'importance de revenir sur la pratique culturel du passé. Il est toujours au micro de notre correspondant d'Etawa, Yawale Abdelmoumeni. Avant le mariage, euh, avant-hier, j'étais au village, à Garhanga. Je suis rentré le vendredi. Il y a une de mes nièces qui, s'est mariée. Il y a longtemps, quand j'étais à Garhanga, quand on va prendre la, jeune mariée, c'est des motos, on tourne. Mais en fait, ça fait tellement d'accidents. Oui. Euh, euh, eux-mêmes, eux, mêmes euh, avant hier j'attendais qu'on qu vienne les motos J'ai dit, c'est jusqu'à Non, non, non. Maintenant, il n'y a même pas, de, même pas une moto. C'est au crépuscule, les vieux vont tirer la jeune mariée à pied pour l'amener chez elle. Donc, dit, on est revenu à Carnaval. Ah, ça, moi oui. Mais non, <laughs> vraiment, à pied, ils ont dit. J'ai dit, non, non, là aussi, vous avez failli. C'est pas à pied qu'il faut, il, faut, il fallait lui amener le cheval, le, garçon, un garçon devant, et on l'impose devant. On, on, on dit, bon, pour le moment, Combien parce qu'il n'y a même pas de chevaux, de maintenant. Oui, c'est ça. Les... maintenant, chercher un cheval, il faut, louer. Oui, oui. Donc, mais seulement la tirer. vraiment, j'étais très content. C'est parce que ça a évité des accidents. Quand tu as un ça. c'est une prise de conscience, mais c'est une leçon tirée. C'est une leçon tirée. Ah. C'est pas une prise de conscience. On doit aller dans oh. Par exemple, euh, moi, euh, quand, tu, quand je vais manger, si, si tu ne me donnes pas une cuillère, je ne mange pas. Mais quelqu'un d'autre euh, par exemple, un, un Touareg, mhm. si tu ne lui donnes pas euh, la cuillère là en bois, il ne peut pas manger. Mhm. Mais quelqu'un, s'il ne met pas la main là, il ne peut pas manger. ça, c'est ça la culture. Hein. Donc, euh, voilà. Revenir à des pratiques qui sont utiles. Ancestrales ou bien Même l'antérieur, Ancestrales, c'est différent, Mais antérieur, jusqu'à 40, 50 ans, c'est bon. Mais, si on revient à l'âge, est-ce qu'on peut parler de l'évolution Si on revient toujours sur les, sur les faits antérieurs, mhm. est-ce qu'on peut maintenant, les jeunes de maintenant, les jeunes de 15, 17, mhm. ou bien bon, ça c'est des ça, ou bien les jeunes de 26, 27, mhm. jusqu'à 30 ans, est-ce qu'ils peuvent voir que ça, est-ce qu'on évolue Non, on évolue. On est en train de retrouver. Non, non, non, on ne retrouvera pas. D'abord, euh, comme le définissent certains, la culture, c'est ce qui reste pour celui qui a tout perdu. Donc, ta culture là, ta culture là, il faut, il faut la, sauvegarder. Il faut la, conserver. je te, euh, il paraît que dans un pays, je ne sais pas lequel, il y a des étudiants de tous les, de tous les pays. Donc, à la fin de l'année, on a dit on va faire une fête pour la fin de l'année. Quand il y aura une fête. À chaque soutien, chaque pays va présenter quelque chose du pays. sûr, le Benoît est venu avec son tam-tam. Samsung Sonkozaka son Burkina. Mm-hmm, mm-hmm. Le Burkinabé est venu avec son machin. Oui. Les Nigériens qu'on a quoi, quoi c'est cravate. Elle est venue en cravate. Elle est venue en cravate. tu vois. Si tu prends certains festivals de 81, c'est des, des, des festivals qui ont duré longtemps. Mais ça permet à la jeune génération de voir ce qui s'est passé. Mais nous, bien avant, euh, certains ministres qui sont passés, on leur a dit que le fait de faire les thématiques décentralisées au niveau des régions. Par exemple, on dit la région de, de c'est le ballet, la région de Zender, c'est Kara la région de Tilaberi, c'est Delaware, et la chanson. Donc, on a effrité les, choses. Parce que notre problème, c'est le, complexe. in ka ce maka zabar arawa na iya zarar da zan maka mai wani in ka ce shi da nasu ba iya ba parce qu'on est le, notre problème c'est pas autre chose c'est le complexe on doit conserver on doit conserver ka ya kamata ko ina ka koya ka koya da an ce Niger in ma baka iya da garin ku ba ka dago abin ka ka ci a sa maka algaita o muska na ruwan na rangadi ko ya iya shi donc sai sai sai sai sai Reportage signé Yawale Abdul un reportage qui serait sans doute un éveil de conscience sur l'importance de la culture ancestrale. Nous profitons de cette position pour faire un coucou à toute la population d'Etawa, capitale de l'ADER, qui nous suit sur cette émission. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Les Niger sur Kalangu consacrée à l'éducation numérique. Et dans la rubrique éducation numérique des sujets dits, nous allons aborder un sujet pas très rose. Le visage des enfants ont été utilisés sans autorisation pour entraîner des intelligences artificielles. Ce qui révèle une enquête qui indique que des photos d'enfants accompagnées des données personnelles ont été exploitées. Plus de précisions avec Ousmane Mamoudou. Bonjour, euh, bonjour à tous. Où quel est le problème soulevé par cette enquête Alors, en effet, c'est une enquête euh, publiée par Human Rights Watch, donc l'ONG euh, internationale, ce 10 juin. Donc, le problème soulevé par l'ONG est l'utilisation non autorisée de photos d'enfants pour entraîner des intelligences artificielles. L'ONG a découvert 170 euh, photographies d'enfants brésiliens dans un ensemble de données open source, donc gratuit, accessible à tout le monde, utilisées par les développeurs d'IA générative. Donc en fait, les gens qui développent les IA génératives, qui font des images, ils entraînent leurs outils avec ces images-là. Donc ces images postées sur le web euh, entre 1995 et 2023 ont été utilisées sans le consentement des enfants concernés ou de leurs parents et souvent avec des informations personnelles telles que leur nom et prénom. Et qu'est-ce que Léon 5B et comment est-il lié euh, à cette situation Léon 5B, en fait, c'est le nom de la base de données. Donc, c'est un ensemble de données open source utilisées par les startups, je le disais tantôt, les startups donc qui développent des outils d'intelligence artificielle pour entraîner leur modèle. Par exemple, euh, Stability AI a utilisé ce jeu de données pour développer Stable Diffusion. Pour ceux qui connaissent, c'est une IA gratuite qui va générer des images à partir euh, d'instructions. Par exemple, je peux lui dire, je veux euh, une image d'un enfant qui joue au foot et il va me générer. Donc, Human euh, Rights Watch a trouvé les 170 photos d'enfants brésiliens dans cette base de données, montrant que les images ont été récupérées et utilisées sans autorisation. Ou sous 170 photos n'est pas trop peu Ce chiffre euh, peut sembler relativement faible. Il ne représente probablement que la pointe de l'iceberg. Alors, l'ONG souligne en effet n'avoir examiné qu'une infime partie des données seulement 0,0001% des 5,8 milliards d'images et légendes présentes euh, dans la base de données Léon 5B. Euh, il n'y a que ce chiffre-là très très bas qui a été analysé. Alors ces images proviennent de blogs personnels, de blogs dédiés à la maternité ou à l'éducation ainsi que de sites de partage de photos et de vidéos. Certains ont été extraits de vidéos YouTube partagées avec des proches, ce qui est une pratique qui contrevient même aux conditions d'utilisation de YouTube qui l'interdit, comme l'a euh, rapporté euh, le média Wired euh, le 10 juin dans une interview. Hmm, j'aimerais bien savoir pourquoi ces images posent-elles un risque pour la vie privée des enfants Alors, ces images posent un risque pour la vie privée des enfants car elles peuvent être reproduites à l'identique par les IA génératives d'images. Si elles tombent entre de mauvaises mains, ces images peuvent être utilisées pour créer des clones numériques des enfants. Par exemple, euh, quelqu'un peut créer un compte ou un influenceur euh, avec exactement le visage de votre enfant euh, à des fins malveillantes, y compris c'est des images qui peuvent être utilisées dans la pédopornographie. Donc la présence de noms, de dates et lieux euh, dans les légendes des photos augmente encore le risque d'atteinte à la vie privée. Et quelle a été la réponse des Léons et quelles mesures euh, ont-ils prises Alors, Léon, donc la base de données, l'organisation à but non euh, lucratif qui gère ce jeu de données, a confirmé l'existence des images. Donc, ils ont vérifié euh, à leur niveau, ils ont confirmé à Human Rights Watch et donc ils ont accepté de les retirer en réponse à une étude précédente de l'université de Stanford. Donc il y avait déjà eu une, étude précédente qui a révélé la présence de milliers d'images pédopornographique dans la base de données. Donc, Léon a décidé de retirer complètement euh, 5 b donc cette base de données. Mais il continue aussi à collaborer euh, euh, avec plusieurs organisations pour supprimer toutes les références connues des contenus illégaux. Ousmane, quels sont les conseils donnés aux parents et aux tuteurs pour protéger les enfants Alors, il conseille aux parents et tuteurs de supprimer toutes les photos de leurs enfants qui se trouvent sur le web. Cette suppression constituerait la protection selon eux la plus efficace contre les utilisations abusives potentielles des images. Alors cependant, cette protection n'est pas absolue car on sait que les copies des images peuvent encore exister, être trouvées même après la suppression des liens et l'ensemble des données. C'est ce que souligne Young Han, qui est en fait une chercheuse qui a travaillé sur cette enquête, qui travaille chez Human Rights Watch, qui dit euh, je cite, Je pense que les enfants et leurs parents ne devraient pas avoir assumé la responsabilité de protéger les enfants contre une technologie contre laquelle il est fondamentalement impossible de se protéger. Fin de citation. Donc elle soutient qu'il faut que les législateurs, donc la loi, protègent davantage les mineurs de l'utilisation de leurs images et de leurs données euh, personnelles par l'IA. Merci Ousmane pour ces éclaircissements. Nous sommes à la fin de cette chronique et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Voilà, c'était Ousmane Mamoudou et Rukayetou Abdraman Islamatou Kadri qui qu'on remercie de nous avoir éclairé sur ces sujets. Poursuivons notre playlist du jour avec le titre Bouge des Black Dabs. Yaman, C'est spécial pour tous les chômeurs, les gentlemen, les élites, les gentlemen, qui aiment le paillabondem. pèse, bouge. Sous mon sang qui pèse, bouge. Bébé, mets-toi à l'aise, bouge. bouge. Et tout le plus pour l'état à l'aise, bouge. Et tout le plus pour la largue, je viens te mettre en condition. Libérer tes illusions. À moi, j'ai la conviction qu'il faut composer la pression. Appelle-moi détonation. Dans la vie sur scène, sur 10, je passe toujours en action. Pour accomplir ma mission, toujours dans la bonne direction. Faut que ça manque des millions pour les habitants des bas-fonds. Ce soit dans la place en surface, faut que ça gesticule à fond. Comme dans les campagnes d'élection communes, faites la sonorisation. Pour te donner les j'ai l'art et la manière de faire aux émotions. Block Black Dap, c'était un groupe de rap du Niger. Son aventure commence en juin 1997 à Niamey. Le groupe compte dans sa discographie des albums. Gaskina sorti en 2001 et Tous Ensemble sorti en 2007. L'aventure du groupe Black Dabs commence en juillet 1997 à Niamey. Daniel, Patrice et Suleiman Sofo, des amis d'enfance menant des carrières individuelles, se regroupent pour former les trio de rap baptisé Black Daps. Le groupe Black Daps d'alors est composé d'un chanteur Daniel Danili, d'un rappeur Patrice Razidres et d'un toaster Suleiman Doblesa. Après plusieurs tournées au Niger et dans la sous-région, ils s'investissent à 300% dans le hip-hop, travaillant d'archipier pied et pied, excusez-moi, leur voix et leur jeu de scène tout en professionnalisant leur technique musicale. Les résultats ne se font pas attendre. Black se devient le premier groupe de l'histoire du rap nigérien à triompher sur la scène du Centre culturel franco-nigérien lors d'un concert en l'Ève.

Après ce moment de détente à direction Tawa pour l'écho des régions, notre correspondant Adamu Iderissa nous parle de jeunes qui se sont regroupés dans une association pour recycler des pneus usés. L'objet de contribuer à la protection de l'environnement, écoutez son reportage. bayan kammala karatu fannin kiyaye yanayi a jami'a don magance zaman kace wando wasu matasa sun girka kungiya mai zaman kanta mai sunan ong ya kamata inda suke amfani da tsohin tayoyi na kananan motoci a wajen sarrafa kwandunan da za su bada kariya ga renon itatuwan da aka shafka na samu kewaya inda ni firanta da shugaban kungiyar ya kamata wanda ake ma abdul nasir fula ya yi karin haske mu saurare shi tununuwa dai wa'in ganin mota da aka sani a yi musu wani salo domin su ba da wasu abubuwa na inwani da ya hada da manya-manya abun da muke sarrafawa da su akwai abun da muke cema gende protection darb wani abu ne ake dangwalawa ga su finunuwa ake ba su wani salo domin ya zamo kariya ga itatuwa kariya ce idan kasashe ga iccen ka. zai ba da dama kenan wasu bisashe irin haka na hanya ko abin ba za su zo su ci ma su taba ma ice ba kuma an yi shi da fasaha da cewa ga su finunuwa ne ba a dangwala su hakan gaba kamar da kuke kallo isce na shan iska don ka wannan mun yi shi ne domin ka sauki zuwa ga amfanin kare itatuwa kenan bayan wannan nace akwai wani abu da muke sarrafa shi ma kula da abincin dabbobi shi ma dai finunuwa ne sai a buɗa su domin ana zuba abincin dabbobi a ciki ko kuma wani ruwan dabbobi ba tare da sun sha najasa ko karau ba da wancan da ake yi na karhin nan kun gani ai akwai illa a ciki ne musamman idan ya fara yin tsatsa dabba za ta iya ta ci wani karau ko tsatsa sannan kuma dukkan waɗanga abubuwa kun gani sauki ne sauƙi zuwa wajen kuɗi saboda mun yi su ko da kamar mutum wanda bai da wani babban ƙarfi yana iya ya same su saboda kuɗin ba a sa su da yawa ba ta yanda mutum ba zai iya saye ba sannan idan kuka ɗoka wance ne ana yin shi da ferna da, da guntun tano wanga kuma da finunuwa ne kenan kunga akwai sauƙin kuɗi dukkanin abubuwan da wancan na itace ce da wanga na abincin dabbobi abu na farko kun yi magana yanayi saboda yau finunuwa ga sunan na farko dai ana barin su ga sunan ko ina barkataite kenan wannan fasaha ta ba dama za a rage yadda finunuwa haka nan abu na biyu idan ma ba a bar su zube ba finunuwa kuna ga ana ɗuka su ana kuna wannan kuna tana cutar da yanayi kenan shine mu muka gani idan muka yi haka nan abu gashi ya zanna amfani kuma an taimaka ga kare yanayi kenan balantana a yi kwando irin wancan da ake saida in kuka ɗoka tun yadda muka haɗa ƙungiyarmu biyo bayan karatunmu a jami'a yawancin mu duka ɗalibai ne kuna gani an yi karatu a jami'a mun karanci fannin kiyaye yanayi kenan environment to irin wannan abubuwan ne ke ba mu fasaha yau da gobe ana dan kakkama irin wannan abu wannan fasahar sarrafa tsohin ƙananan tayoyi na mota a matsayin kwando na renon sabbin da shan itatuwa wacce gudunmawa zai kawo ga kariyar yanayi kun samu wani horon yin hakan bayan kammala karatunku na jami'a da kuka yi? A yanzu haka dai ba mu samu wani horo mun yi kirkiran ne dai ya za a yi a kare yanayi ta hanya ai ta rage abubuwa kamar share na nan yau muna dukata muna zubiyawa lalle ana gani akwai wuraren da aka zubiya wani ya kamata wani bai kamata a zube ba amma ai kun ga muna nan ga gurin cewa wata rana kuma sai an ji cewa yalla ya kamata ta samu wuri na kanta wanda take sarrafa shara kuma ta bada irin su pave irin su dal irin su kamar takin zamani da shi ma tuni muna yi har yau shugaban kungiyar farashin kwando ɗaya yana da sauƙin kuɗi jama'a sun soma saye bayan ku akwai matasan da suka soma koyo ta hanyar ku sannan wani kira ke gare ku ga ƙungiyoyi masu hannu da shuni amma da gwamnatin ƙasar ta Nijar. gaskiya akwai arha tunda yana tashi daga jika guda zuwa jika biyu kwando na taya kenan wancan shi kuma ana sai da jika biyu zuwa jika uku wani tango na na taya lalle alhamdulillah dan du na farko bugu na farko da muka yi muka dan aza cikin wasa-wasa nan bakin hilin biron mu don duk mutane an sayi har yanzu kuma muna ci gaba da bugawa kuma muna kira da babban murya ga jama'a wanda wannan sako isan ma an cika kofa buɗe take a wajen mu za iya samu dukkanin mu dai kuri guda mu taru mu kama mu kiyaye yanayi da yake nan ga gurbata idan kuka ɗoka a sallar da ta gabata ta ce turwa'ut kenan da aka yi nan jami'a idan yalla masu son su ga suna can mun kakkafa misali iccen da gwamna ya shibka da scj na gwamna da sauransu duka an samu su wannan kariya ta itace ta nunuwa. a yanzu hakan dai inda muke ɗauko su shi ma dai ya nuna tashi gudunmuwa ce tsohin tayoyi ne da ba a so da ya zan kasu tahi a banza haka nan cikin gari ko ka ta ai ta kone-konen su wannan hayaki ya ta shigan mutane ko ya gurɓata yanayi akwai mutum biyu da yake yanzu ne aka fara sannu-sannu abun na girma ana ƙara mutane kira kamar na kullun dai muna yi bayan godiya da muke musu akan saboda gaskiya inda al'amari namu ne kullun suna nuna goyon baya wannan kuma yana ƙara mana ƙarfin gwiwa lawali adamu ɗaya daga cikin masaya wannan kwandon ya yi ƙarin hasken dalilansa na sayan alfanu amfani da gudunmuwar da kwandon aiki da shi zai kawo ga hana gurgusowar hamada wannan ƙoƙarin na matasan ya kyautu a ce gwamnati da masu hannu da shuni sun karfafa shi ta hanyar ƙara ma matasa horo da tallafa musu domin su koyar da wasu matasan a cikin fyaɗin ƙasa Reportage signé Adamou Idrissa. Rekia, prenons une pause pour revenir juste après. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Notre chroniqueur e sportif Asimi Gourouza vient de nous rejoindre dans ses studios pour la page sport. Un moment tant attendu pour beaucoup d'entre vous, chers auditeurs. Bonjour Gourouza. Bonjour Kia, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, le du Niger se prépare pour la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Oui, effectivement, les poulains de l'entraîneur Badou Zaki ont eu hier à faire un match amical avec les joueurs étrangers évoluant dans, le, dans la Super League du Niger. Score final 2 buts à 1 en faveur des 11 du Niger. Rappelons que le MENA va jouer pour le compte de la troisième et quatrième journée de ses éliminatoires avec l'Angola, leader du groupe F. Le Soudan est deuxième devant le Niger et le Ghana qui partagent les mêmes points dans ce groupe. Gourouza Alioune Sissé n'est plus le sélectionneur des Lions du Sénégal. Oui, Abiba, effectivement, c'est officiel depuis hier, car les rumeurs ont déjà circulé sur le départ de Sissé, alias Tactico. L'État sénégalais n'a pas approuvé de renouveler son contrat arrivé à terme. Euh, son contrat est venu à terme depuis le 31 août 2024. L'ancien joueur du PSG, le Paris Saint-Germain, est à la tête de la Teranga depuis 2011. Il a réalisé des succès, il faut le dire, hein, avec euh, cette équipe sénégalaise. Finaliste de la Cannes en 2019, il a offert au Sénégal son premier sac dans une compétition africaine en 2021. Il a été trop critiqué, mais ces derniers temps, compte tenu des résultats engrangés par les lions. Voilà. Nous allons maintenant à la découverte d'un joueur et d'un jeune joueur. Son nom est Soudes Mahamadou, n'est-ce pas, Grouza Oui, Rekia, pur produit du TGV, le tournoi des grandes vacances. C'est pour cela que les tournois des grandes vacances ont une valeur. Hmm. Soudès a été formé à l'AS Daboré de Niamey. Il a débuté en 2016. C'est un milieu de terrain de 17 ans actuellement. En 2023, il a joué au ZAC, le Zumunta, puis à l'AS Douane où il est actuellement classé meilleur jeune joueur lors du championnat de la Ligue régionale de Niamey. Voilà pour le soir aujourd'hui. Merci, Grouza. Merci beaucoup. Merci, Gourouza, pour toutes ces informations. Bonne journée. Merci. Dans la, partie portrait de ces jours nous irons à Zender à la rencontre d'une jeune fille leader. Elle est âgée de 22 ans, son nom est Kursia Malam Elle milite pour le bien-être des jeunes filles, notamment du monde rural. Et oui, elle a reçu la médaille Sarounia Mangou décernée par le président du CNSP le 26 juillet dernier en récompense pour ses actions engagées et son soutien à la jeune fille. Son reportage Ali Keta. Né en 2002 dans le quartier Garim Malam du deuxième arrondissement communal de la ville de Zender, Orissia Malam Maïderesou est une jeune fille ludaire. Elle a abandonné l'école en classe de CM1 pour se consacrer aux études coraniques. Plus tard, elle a été donnée en mariage forcé à l'âge de 14 ans. Après deux ans de mariage, elle quitta le foyer pour suivre des formations sur le leadership féminin grâce à l'appui de l'UNICEF. En 2018, un groupement verra le jour et Ursia l'intégra comme jeune leader. Elle nous livre ici le grand succès de jeunes filles leader dans la ville de Zender et ses environs. Il y a une formation dans laquelle aujourd'hui les femmes sont intégrées. On les apprend beaucoup de choses qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. Et grâce à ça, il y a des femmes qui arrivent à se prendre en charge et même d'aider leurs sœurs et mamans. En effet, même les hommes ne sont pas épargnés, bien que cette association concerne seulement les femmes. Si vous prenez aujourd'hui, on a ouvert un atelier de couture puis un salon de coiffure pour les femmes. Pour et Lepe, activiste de la société civile, Kogsiyama Lamaideresu est une relève sûre pour le développement de la société et le bien-être social. C'est une femme très déterminée, si je peux le dire. Elle est toujours disponible à répondre s'il s'agit des affaires qui concernent les groupements. De nos jours, parmi toutes les femmes, il est difficile de trouver une femme qui a le talent de Coursia. Encore, même si tu appelles Coursia, elle va te répondre attentivement et calmement. Et si tu écoutes, tu vas comprendre qu'elle a bien parlé. Coursia a reçu la médaille Saraunia Mango, décernée par le président du CNSP en récompense pour ses actions engagées et son soutien à la jeune fille du monde rural. On est très fiers et déterminés sur cette activité. On a fait plusieurs activités pour montrer notre engagement, puisque la situation de notre pays n'est un secret pour personne. C'est notre pays. C'est pourquoi, en tant que femme, on a décidé de montrer notre détermination et engagement. Aujourd'hui, si les hommes souffrent, les femmes aussi vont souffrir alors on a décidé d'apporter notre modeste contribution pour amener un changement dans notre pays. Kursia Malam Maideressou ne compte pas faire de la politique. Outre sa qualité de jeune fille elle entend aussi combattre le mariage forcé, l'exclusion des femmes dans les prises de décisions, c'était le portrait de Kursia Malamaydarassou, réalisé par Ali Keita. Euh, Habiba, changeons, changeons de registre pour notre dernier titre de l'émission Bizarro de l'artiste Natural Black. Eh oui, c'est parti. Révélation. la chanson Bizarro de l'artiste Naturel Black. À présent, écoutons ensemble le conseil offert par les desk femmes du studio Kalangu. Wa alaikum assalam. Subhanallah. Aisha, lafiya kika zo min da kuka? Me ya same ki? Wallahi tantini na gaji wallahi wanga wagan ya ishe ni a wagan wahala. Wallahi kashe ni dai zai yi. Me nake shirin ji kashe ki? subhanallah Zo, gaya mini. Gaya min da Allah me ya faru? Tanti Usman ne kuma. Ba ma yi wata biyu ba na zo gida na gaya muku abin da yake yi mini, kuka bani haƙuri kuka ce in koma, wallahi ya ƙara ɗaukar wannan mugayen halayen nashi. Yana samun kuɗi, amma ko abinci ba iya sai ya kamu na gidan nan. Baya biyan haya, kuma yanzu an koro yara daga lakwal saboda ko in nan da ake biya ba su bada ba. Yanzu ya ki badawa yaran na canza zamna gare ni gida, wallahi na gaji ban iya wani ban komawa gidan shi. <laughs> kai ni hafsin kwatori zo zama tsaya ni ɗauko hijabi na in Allah ya yarda yau sai na gaya mishi abin da yake son ji zo mu tahi kun ga baya malam ina nan zai zo ya iske ni kyale shi assalamu alaikum wa alaikum assalam a tanti ku ne a gidana cikin dare haka ba cikin dare ba ne ina hmm. nan tun da sahe nake jiran ka kai sai yanzu ka zo <laughs> haka ne gaskiya na makaro na zo cikin dare halin son ne haka babu ciniki sosai to allah da ya taimaka ɗana na zo ne in maka magana ka zo ka zamna to in ka gane ni a gidan nan don in yi ma magana ne 'yan watanni ka sa yarinyar nan ta dawo gida na zo da kaina cikin wannan gidan naku na sasanta ku da kai da aisa hmm? yanzu kuma abun ba zato ka sake shiga halayyar naka na da haba usman aha aisa ki ce ki bata min suna a unguwa ki bata min suna wajen yan uwanki a'a usman bata bata maka suna ba ai jikinta ma yana gwada halin da take ciki dubi wannan yarinyar usman yanda ta rame ta yi baki ba ci ba sha duka kuma wannan abun a bisa kanka yake tanti ni da kaina ina kwashe gudan ini ban ci komi a kasuwa kuma kaɗan nake samu ina sake wada wasu kaya ne idan na samu riba ita ma za ta samu riba ko usman allah dai ya gafarce ka matakka ba ta hiye muka wani sauran abu ba kariyarta abincinta da kuma tufafinta da kula da ita usman a bisa kanka yake abinda addinin musulminci ya ce kenan tun ranar da ka ɗauko ta daga gidansu amma abin da kake yi kai halin da kake ɗokawa yanzu gaskiya ka yi hankali Allah ya tambayi ka gobe kiyama subhanallah tante hausu karki min fatan wannan abin bakin ciki in baka son a muka fatan wannan abin bakin cikin ka sake dan kaɗan kinnan da kake samu da shi ya kamata ka kula da iyalinka ka kula da kasuwancinka ka san da yaran ga gobe in suka girma suka zama wani abu ci gaban ku ne in kuma suka lalace wallahi he ka tauna yatsa tanti ku mini gafara kuna da gaskiya To Usman ba gare ni ba za ka tambayi gafara ga matarka ya kamata ka tambayi gafara tunda ita ce kuke tare da ita. aisa da Allah ki min gafara kar ki bani ni kadai na sanar na cuta miki kuma yanzu zan kokari in kula da ke da ma yaran mu. Gaskiya Usman ni na bar yarda da kai gaskiya na kummace in koma gida in kuma ka sake mugun halinka kuma. aisa na rantse ba ba ƙari kuma ina son ki bani yarda ki. aisa. zamna cikin ɗakin ki ki kula da yaranki tunda mijinki ya tambaye ki gafara ki gafarta mishi da fatan dai ya saki halin shi ke ma Allah ya baki haƙuri ni zan tahi in bar ku ku sasanta tsakanin ku to tance mun gode Allah dai ya sa albarka Allah ya biya ku mun gode tafi Allah ya muku albarka kuma Allah ya muku Grand merci sa femme de la rédaction, pour ses multiples conseils. Et chaînons avec Omar Hama euh, pour la culture linguistique. Bonjour Omar Hama. Bonjour Rakia Arimi. Bonjour euh, Abiba Ahmed. Bonjour Omar. Bonjour, comment vous allez Ça, Va, très Alors, quel est le mot du jour Aujourd'hui, notre mot du jour, c'est la traduction que je vais expliquer ici en langue fulfulde. D'accord jamar jama hettiniide e eh, yewtere meɗen ɗo enɗan dande studio kalangu et niger sir kalangu Hande en kaltana do filla ko wiite tradiction e francire firtude hano ɗengal na kongol hunde du noon ko laati mbi'en non noon ittanade leyɗe adunaru gam firtude ɗengal ko batu mum watte capanɗe tati lewru septembre fum e ngol laawol duni laamu koƴangol capanɗe jeɗɗi duɓe ujunaji ɗiɗi e capanɗe jeetate jeɗɗi ciggi laangol gollireede noga e nayi lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi e wakkati no hawride leyɗe nations uni ko ɗum suɓi capanɗe tati lewru octobre fuu no ñalade no ittantede gam firtude haalaji nonni ma kongil ɗum ɗo golla noon ko laati firtude kongol maane haala no nder ɗengal hunde noon ko laati no wawi walatade hano mbiyen ɗo endan dewtere mane ko nandi en dewtere no wawi majja amma heɓa pertuɗo ɗum woɗi nde ñalade ittanade gam firtude haalaji du no waɗa gam miccitade nimɓe ñeñuɓe nder ɗemle ɗum du no walla ko watta tawe ɗum hoytinin baddal hakkunde nin ɓe jonde jam laabi gollidel kanƴum du ɗum sembiɗina far jonde jam e potal kanƴum e ndenagu ɗo enda nder leydi hettiniɓe dande yewtere meɗen niger sir kala ngu ɗo woni to min gaddani on hannden ko woni mana firtude hano konngol noon ni e haala gon and job kamɓe leydi lady en merci rakia merci, habiba merci à toi aussi omar j'espère que nos auditeurs ont bien compris Ils ont bien compris merci beaucoup <laughs> chers auditrices et auditeurs merci de l'intérêt que vous accordez à cette émission les Niger sur Kalangou vous êtes nombreux à nous suivre sur les ondes de nos radios partenaires et pour l'heure écoutons vos messages envoyés vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Eh, suna kayatar da mutane al'umma na karkara bisa kai ga abubuwa waɗanda dama al'umma suna nan kura kurame bisa kai ga wannan abu mai amma ita kalangu yanzu ta zo da waye kai bisa kai ga al'amura na al'umma na karkara tana waye musu kai bisa kai ga abin da basu gane ba yanzu suna nan suna ganewa abubuwan nan kaɗan kaɗan mai amma lalle ita kalangu ta masa saboda yau suna rukuwar laburka na wurare daban-daban yanzu gani nan ina magana da wani yanzu sai a je abin da nika yaba a kalango yanzu duk duniya sai ta ji a nan a kasan mu ta nishar duka da inda sun kasa ko ina sai a ji yau abubuwan nan mu muna nan muna jin dadin su kuma su kara matsa bisa kai ga wannan abu dangance da al'umma tana nan tana sararin su a kowane lokaci ina gaida mutanen kalangu ina yi musu fatan alheri muna gaida su kuma muna gaida rediyon mu ta nan dogon duci na shafa'i ya tawa gaskiya muna sauraron studio kalangu da kyau kuma shirye shiryen sa gaskiya yana birge mu yana da kyau ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirye-shiryen wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum sunana ibrahim iliya malamin makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai sako lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare a matsayin na na mai sauraren radiyo lokacin wannan cdo in ya yi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen diya kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tun da shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen diya kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah ƙara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a ƙara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu duk shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi in an faɗi da harshen Hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su su bayyana da shi kuma muna jin shi suna haɗi dai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai a yi kuma haƙuri da shi eh bare dai duka ma dai dai waɗakarwa ce ake eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara ba da haske cikin al'amarin eh, ina gaida kowa da kowa ma'aikatan cdo eh alherin Allah ya kai musu Le programme euh, Studio vraiment, les gens l'apprécient beaucoup, puisqu'il y a ce qu'on appelle la rénovation. Ici prend fin cette émission de ce jeudi 3 octobre et 2024. Vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et Habiba Ahmed. Le rendez-vous est pris demain à la même heure, 11h, heure de Niamey. L'édition a été assurée par Maria Madé et à la technique c'était Seni Isaka. Si vous ratez l'émission, ne paniquez pas chers auditeurs parce que nos émissions sont archivées. Passez une excellente journée. Bye bye.